Nous sommes vendredi 2 août 2024, chers auditrices et auditeurs, ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi ce matin Salamot Kadri pour la présentation. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno, on passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté de les coulisses. À la technique, c'est Lawal Issa et à l'édition Fanta Alors Seno, quel est le menu du jour Et comme d'habitude, euh, il y a le flash d'informations pour débuter de la bonne musique nigérienne euh, sera servie du loti avec le desk femme du studio Kalangu le sport avec notre chroniqueur sportif euh, du jour, Hasumi Gourouza, de la culture linguistique, sans oublier la revue de presse qui est présentée chaque vendredi. Chers auditeurs, toujours dans ce menu, c'est nous, dans la rubrique invité du jour, nous recevons l'artiste rappeur Hakim Avec lui, nous parlerons du trophée Tamamou d'or qu'il a remporté récemment aux éditions de Tamamou Award 2024. L'écho des régions nous conduira aujourd'hui à Terra, région de Tilaberi. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Et eh bien, chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure d'égaiement et d'infos. Sans trop tarder, voici le flash d'info avec euh, Nafisa Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Séno. bonjour Salamatou. Bonjour Nafi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. L'armée nigérienne a fêté hier son, son, quatrième anniversaire. Créée en 1961, les forces armées nigériennes ont connu de profondes mutations dont la plus importante a consacré la création de l'armée de terre et de l'armée de l'air par décret le 18 juin 2022. Les fans comptent à ce jour neuf zones de défense, la circonscription militaire militaires de Niamey et cinq bases aériennes actives reparties sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif évolue vers un maillage territorial en adéquation avec le plan de montée en puissance des forces armées nigériennes. Ces armes de l'armée nigérienne œuvrent pour l'édification d'une nation libre et prospère. Le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen a rencontré hier 1er août les responsables du Trésor national et ceux de la Caisse autonome des retraités du Niger. Objectif à euh, discuter du paiement des pensions des retraités qui connaît des difficultés dues à des problèmes d'ordre technique que rencontre la Carénie selon la directrice euh, générale. Elle a précisé que des solutions ont été trouvées et le problème sera résolu. Enfin, demain 3 août sera célébrée à Tilaberi l'édition 2024 de la Fête nationale de l'arbre, marquant l'anniversaire de l'indépendance du Niger. Le thème de cette 49e édition est la Grande Muraille verte au Niger passant à l'action. Depuis 1975, cette célébration est dédiée à la plantation d'arbres à travers le pays pour lutter contre la désertification, protéger l'écosystème et freiner l'avancée du désert. Et cette année, la cérémonie se déroulera dans la forêt classée de Gesalboudi à environ 10 km de Niamey, cette forêt qui s'étend sur 5400 hectares et abrite à une diversité d'espèces phoniques et végétales. C'est la fin de ce flash d'information. Bonne mm. suite à vous. Merci. Merci, <laughs> Merci pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Hakim Le Plan B, artiste rappeur. Bonjour Hakim. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Avec vous, nous parlerons de ces trophées de Tamamou d'or que vous venez de remporter au Tamamou Award 2024 qui s'est tenu le 13 juillet 2024. 2024. Pour rappel, l'année passée, vous étiez aussi le champion de trophée deux années successives. Bravo à Kim. <laughs> Ça mérite des applaudissements. <laughs> voilà Kim, avant de rentrer dans le vif de nos échanges, euh, nous allons d'abord, on dit à tout Seigneur, tout honneur. Nous allons écouter l'un de vos titres. Il s'agit euh, de ces titres que le public nigérien aime tant. C'est tout simplement Good Morning. On écoute et on revient juste après. Derrière les sous, d'autres derrière les femmes, d'autres derrière les folklore qui a ici-bas. Ce monde est vanité, je sais que tu l'as réalisé. Je suis pas dans la course, c'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. Good morning. people, good morning. Good morning. People, good morning. Good morning. People, good morning. Good morning. People, good morning. l'amour, moi et la Zikmi, on est mariés. Elle était là même quand j'avais perdu mes alliés. J'ai manié mes manières, j'oublie les allées. Y'a pas de jour férié, faut pas la comparer à Maria. Y'a pas de gosse et ne pense pas à la maternité. Tu seras populaire, connu de toute l'humanité. Faut pas baisser les bras d'abord, il faudra essayer. Si tu peux charbonner, je vais t'aimer jusqu'à l'éternité. Tes ennemis, je vais les casser. Et ton chemin, je vais les tracer. Vais te séparer de ces bâtards, à part toi, moi, Je suis vénère plus comique que El Pololo. Moi et mes fans c'est comme la Chine et puis les Yoro Très amis Bororo c'est deux de c'est y'a trop de flow Je rappe pas pour les go ni pour les mêmes mais j'ai les monopoles Gros dans ce game y'a trop de fêlés et de fêlés Faut pas biper si tu n'as pas de quoi me rappeler Tu veux te révéler ah tu veux tout révéler ah Gros laisse-moi digérer je fais beaucoup de boucherie J'ai apporté la joie, j'ai apporté la haine J'ai apporté la foi et puis j'ai apporté la guerre Viens on part à la guerre, moi je viens de Zender Je viens de là où même femmes et enfants n'ont pas connu la peur négro j'ai de la voyance, négro. On est des durs, tu sais. On m'a éduqué pour gouverner, mais pas pour sais. Je suis mélancolique. Je parle avec le cœur et quand ça me dépasse, je fais un trait sur mes rancœurs. L'histoire c'est sans rancune, gros mais écoute l'homme qui pleure. Je ressens la douleur et les larmes coulent à l'intérieur. Je fait le rappel afro la con qui fait la rumba. Ils vont retenir mon message comme celui de Lumumba. La vie c'est trop bizarre, tu verras trop de gens t'aimer et puis te détester pour ton succès dans la seconde d'après. Viens, on fait du boucan, viens, on va faire du sale. Viens, on fait la folie, monter la tension maximale. C'est pour les battants, les braves et puis les barrasseurs. Diminue le volume si tu tu sais que t'es un paresseux. Et si je pars aux cieux, y aura des larmes aux yeux. Et y aura beaucoup qui diront qu'il était bon le monsieur. L'homme est un loup pour l'homme, et l'homme n'est rien sans les hommes. Tu sais, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Kadena kankamba ya rozam na wuri guda. gobe kobe kamata ba. Ta mune mazana daga me jimere shan da gobe ala me hankali Kagane gane Faut savoir que c'est bizarre, trop bas sur les réseaux. Y'a que de la haine, du mépris et des sons faits maison. L'histoire me donne raison, pète le score à chaque saison, je contrôle la je suis number one comme Yiwarano. Moi en journée je ris, et puis la nuit je pleure. Comme un camel je m'arrange pour faire changer de couleur. Je veux le paradis moi, mais je ne veux pas mourir. Et ne mentez pas à mon sujet juste après ma mort. Et ne mentez pas à mon sujet juste après ma mort. Juste après ma mort. Good man world, good morning. Good morning. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter Good Morning de notre invité du jour, l'artiste Hakim Le Plan B, un morceau qui est très apprécié par le public nigérien. Alors pour commencer, vous venez de remporter le Tarma 2024. Hakim, dites-nous comment vous avez réagi en apprenant que vous avez remporté le Tarma pour la deuxième fois. Bon, moi je pense que j'avais dit en premier euh, que c'était la main de Dieu. Je l'ai dit à nous même tout à l'heure. Je pense que ce deuxième trophée-là, c'est l'œuvre de Dieu et c'est l'œuvre de mes fans. Je sais que nous sommes des battants. On ne se laisse pas faire. On a fait la grosse mobilisation et je pense que, et malgré les obstacles que je voyais depuis le début, je savais pertinemment que j'allais gagner ce trophée-là. Oui, oui, je le savais. D'accord. Alors, Hakim, euh, à quoi attribuez-vous votre succès continu auprès du public euh, Moi, je pense que quand on dit Hakim, tout le monde sait que c'est le travail. Moi, je suis un bosseur et moi, je suis un battant. Moi, je n'accepte pas la défaite. Le charbonnier. Oui. je suis quelqu'un qui, qui fait face à tout. Je n'ai pas peur de quelque chose et je fais la grosse mobilisation. Je suis toujours auprès de mes fans. Moi, je pense que aussi, il y a beaucoup le côté social de Hakim qui prime sur sa carrière, il faut le dire, parce que les fans de Hakim le disent tout le temps. Et voilà, Hakim, que représente pour vous ce trophée et comment influence-t-il votre carrière bah, Ce trophée-là, euh, <clears throat> c'est un message très fort à travers ce trophée-là. Je l'ai toujours dit, c'est pas tout ce qu'il y a autour, ce bling-bling et les 3 millions. C'est pas ça qui m'intéresse. Non, non, non. Et qu'est-ce qui vous intéresse, Hakim Ce qui m'intéresse, c'est de dire à tout le monde que c'est moi le roi. Le roi de quoi Il n'y a rien. Le, king du rap. voilà. Le roi de tout le monde. à <laughs> part, parce qu'il n'y a pas de discussion maintenant. C'est lui qui discute avec moi. Il n'a qu'à déposer ses trophées, on va voir. <laughs> je ne parle plus avec la bouche, je parle Sans modestie. <laughs> ok. <laughs> Alors, Hakim, euh, pouvez-vous euh, nous parler de, l'importance de, vote du public dans l'attribution de ce trophée euh, L'importance du vote du public est très, très, très, très. le vote du public, du moins, est mm. très, très, très important. Mm. Parce que c'est vrai, on dit que c'est l'argent. Une personne peut prendre ses millions dans sa chambre mm. et voter et gagner. Mais le vrai trophée ne se gagne pas comme ça moi, à la fin des votes, mes votes s'élevaient à, je pense, 26, 000, 26 000 votes, soit 2 600 000 francs. Waouh Je te garantis que, bon, de toutes les manières, je n'ai aucun intérêt à mentir là-dessus. Dans ces 2 600 000, ce que j'ai investi de ma poche, c'est 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA. Le premier jour des votes, hmm. j'ai donné juste 15 000 francs aux petits. Ils ont chargé Orange Money pour tester. Bon, désolé pour la publicité, pour tester, <laughs> voir le, le, le, le, lien, si ça marche et tout. C'était juste ça. Sinon, c'est juste de la mobilisation. Les gens ont envoyé leur participation de partout dans le monde, pas dans le Niger, hmm. de partout. ça, veut dire que la diaspora. que si vous n'avez pas ce, public-là hmm. qui a les moyens de faire ces votes-là, ça revient toujours au public. Ça revient toujours au public il faut avoir le public et il faut avoir euh, la force aussi de faire cette mobilisation. Et comment avez-vous euh, mobilisé vos fans pour voter pour vous, Akin? Moi, je pense que j'ai lancé un message clair. Hmm. Et depuis l'année passée, c'était la même stratégie. Déjà, moi, mes fans, quand il y a combat, ils savent. On n'accepte pas. On se lève. Tout le monde se lève. Je t'assure, tout le monde se lève. Les gens ont failli devenir fous tu sais pas, les gens, il y a des gens qui, qui avaient la diarrhée, les jours de, dévote, les jours de, clôture. À <laughs> ta place, quoi. <laughs> Je t'assure, il avait ma belle-mère qui avait la diarrhée, ma mère qui a la diarrhée. Donc, tu vois, moi, dans ma carrière, il y a la main de la famille aussi. C'est très, très différent. Une carrière où il y a la main de la famille aura beaucoup plus de bénédictions. C'est différent. C'est très différent. Voilà, merci beaucoup, Hakim. Maintenant, on passe à la revue près ça. est avec nous. Bonjour Rafifi. Bonjour Salamatou, bonjour Seno. Bonjour. Rafika, conduite de la transition, mieux exploiter le potentiel du politique, titre en gros l'hebdomadaire Niger Inter. Oui, le journal nous rappelle que l'arrivée au pouvoir des militaires au Niger en juillet 2023 a été très vite suivie par l'interdiction des activités politiques ayant entraîné une restriction de la pluralité d'opinion dans les débats nationaux. Aujourd'hui, poursuit le journal, il apparaît clairement après la publication de la vision du président du CNSP, le général Abdraman que le chemin inverse devra être imputé plus plutôt afin de permettre une mise en œuvre efficiente du dit programme comportant quatre axes stratégiques. Depuis le 26 juin 2023, il est connu de tous que le monopole de l'expression n'est reconnu qu'à seulement quelques milieux, note le confrère, ce qui a conduit à un pourrissement de biens de situation qui pouvait pourtant trouver des solutions amiables selon le journal Inter Niger. Après l'Imouraren, une nouvelle arnaque minière touche le Niger, titre de son côté le Niger, le journal L'événement. Effectivement, le journal nous apprend en janvier dernier, au travers des déboires de la Somida, qu'il a déjà décrit les méthodes utilisées par ceux qu'il appelle des escrocs pour profiter des licences minières au Niger. La situation n'a pas beaucoup évolué. Le Niger n'a pas les moyens de se défendre et de se porter les scandales devant une cour internationale. Aucune police internationale ne vient à son secours, martèle le journal. Le bal des prédateurs n'en finit pas et les ONG qui pullulent en Afrique de l'Ouest ne font strictement rien pour dénoncer la moindre affaire. Selon toujours le journal, l'ex-président Bazoum Mohamed avait déjà retiré la licence d'Imouraren à Ourano au travers de la convention d'abandon signée le 4 mai 2023 et publiée sur le site du ministère des Mines. Le gouvernement actuel n'a fait que confirmer la décision précédente et rajouter à la liste la licence de Goviex. Baccalauréat 2024 au Niger, 32,9% des pourcentages des élèves admis avec une augmentation de 7,3%, titre le journal en ligne Actu Niger. L'école nigérienne a enregistré un taux de réussite global de 32,9% à la session du baccalauréat pour l'année académique 2023-2024 selon Actu Niger. Ces chiffres présentés par la, ministre de l'Enseignement supérieur par intérim lors du Conseil des ministres montrent une des meilleures performances de ces dix dernières années après les taux de 2005 qui étaient de 38,5% et de 2020 33,8%. La ministre de l'Éducation nationale a souligné une amélioration nette par rapport à 2023 avec une augmentation de 7,3% du taux de réussite. Les épreuves tenues du 25 juin au 10 juillet 2024 ont vu la participation de 84 228 candidats sur les 87 883 inscrits dont 36 132 filles, soit 42,9% des participants. L'an 1 du CNSP Cadri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso remporte le trophée de la lutte traditionnelle, titre également le journal en ligne Actu Niger. Oui, c'est nous, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, a présidé le 29 juillet la finale du tournoi de lutte traditionnelle organisé à l'occasion de l'an 1 du CNSP à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey, nous apprend Actu Niger. Cette compétition a vu une fois de plus le sacre de Kadri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso devant Noura Hassan de Tawa. Cette compétition qui a duré deux jours a enregistré la participation de 16 meilleurs lutteurs du pays dont deux gladiateurs par région qui se sont affrontés dans la discipline et le fair play à travers des combats des combats acharnés impressionnant le public. À l'issue de cette finale qui a opposé le roi des arènes, champion en titre de la dernière édition du sabre national, Kadri Kadri alias Isaka Kadri Abdou, <laughs> plutôt, alias Isaka Isaka de Dosso et Noura Hassan de Tawa. C'est Kadri Abdou de Dosso qui a confirmé son invincibilité au cours de cette compétition. Et voilà pour euh, la revue de presse de cette semaine. Merci beaucoup, Rafifi. Merci infiniment, Rafika. Chers auditeurs, euh, poursuivons nos échanges avec euh, notre invité il s'agit bien de Hakim, euh, le double champion de Tarmamoumou Award. Hakim, dites-nous quel est votre avis sur l'évolution de la scène rap nigérienne hmm, Moi, je pense que ça n'évolue pas. Il faut dire la vérité. Et, qu'est-ce qui n'évolue pas concrètement Vraiment, parce que dans le mouvement du Niger, les artistes se combattent trop entre eux. C'est-à-dire, que... Je trouve que tout le grand problème, c'est ça, quoi. Les gens se boycottent, les gens se ferment, les gens se font la guerre, les gens se gâtent les gombos, les gens se... Tu vois, non Il y a toujours quelqu'un qui est derrière quelqu'un, quoi. Et c'est toujours du Tom Jerry, quoi. Je t'assure, c'est toujours. Et c'est devenu. Il y a trop de clanisme maintenant. Trop de clanisme. Quand c'est notre clan qui est dans ça, on bloque l'autre clan. Quand c'est, tu vois, ça, le problème, c'est quoi C'est que c'est pour des désirs personnels, c'est pour des intérêts personnels. Mais ça fait du mal, énormément du mal à la culture nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un, événement que le monde est censé voir et que une partie de ces clans-là prend cet événement-là, l'autre partie est fermée. Et peut-être c'est dans l'autre partie qu'il y a les artistes que le monde doit voir. Tu vois, c'est toujours ça qui est en train de... C'est compliqué. Vraiment, les gens se compliquent trop, trop. Et qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire, Hakim Moi, je pense qu'il faut qu'il faut que chacun mette de l'eau dans son verre il faut que les gens reviennent à des meilleurs sentiments pour le bien de la culture nigérienne. Parce que si on dit qu'on va continuer comme ça, chacun va faire pour son propre bien. Si on veut le bien de la culture nigérienne, les artistes, doivent euh, les artistes doivent s'unir. Il faut que les artistes s'unissent et il faut que les artistes travaillent ensemble. Pour le nom. Aujourd'hui, si tu regardes euh, un peu ailleurs, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas tout ça, frère. C'est vrai, il y a des problèmes partout. Partout, il y a des problèmes mais ce n'est pas tellement important. Ici, les problèmes sont importants, plus importants que l'évolution. Les gens sont focus sur les problèmes. Voilà, Hakim, est-ce que actuellement vous avez des projets en cours Oui, j'ai un projet, euh, un ou deux, en cours. Bon, euh, il, y a un, il y a un mini, un mini album que je sors, on appelle un EP. Nous, on appelle ça dans notre jargon musical un EP. C'est une e forme de projet, d'album moitié. avec, à peu près combien de titres 6 titres. Donc un EP qui sort, un EP gratuit sur les plateformes qui sort pour euh, remercier aussi mes fans par rapport à tout ce qu'ils ont accompli. Et après, il y a un spectacle que je prépare le 31 août. Le 31 août de ce mois Oui. Waouh. Le 31 août. Super. Alors, euh, comment euh, parvenez-vous à équilibrer votre vie personnelle et votre carrière musicale ah, je pense que tout s'est joué, moi dans ma vie, je pense que tout s'est joué sur cette question. Elle est très importante parce que je ne mélange pas les deux. Je ne mélange pas les deux. La vie professionnelle et la vie personnelle. À part. À part. La vie musicale, à part. Mais il y a une manière de les associer. Et, et, quelle est cette manière Par exemple, <laughs> aujourd'hui, moi, j'ai fréquenté la plupart des artistes nigériens. Je les connais, je sais comment ils vivent vis-à-vis de leurs fans, de l'entourage et tout. Moi, j'ai compris que je vis différemment. Tu vois, moi, je suis un enfant de la cité, man. Tu vois, dans mon quartier, je suis chez tout le monde. Je mange chez tout le monde. Tout le monde mange chez moi. <laughs> Tu vois Et quand il y a concert, tout le monde vient. Tu vois C'est ça, en fait, le truc, quoi. Parce qu'il faut toujours mettre le social dans, la, dans, dans le professionnel. Mm. Obligatoirement au Niger. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que nous savons tous que ce n'est pas pour ton bien chanter ou ce n'est pas pour ton super talent que les gens vont venir remplir une salle au Niger. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a aussi les gens qui sont là de côté. Ils se disent Ah, c'est Hakim, on va pas le laisser tomber. Et dans la salle, quand tu pars, il y a 1000 personnes. Il faut regarder, il y a au moins 500, euh, il y a au moins 200 personnes qui connaissent aucun de tes titres. Mhm. Ils viennent pour ta personne. Donc ça fait deux. Il y a des gens qui viennent pour la vie sociale là. Il y a mhm. des gens qui viennent aussi pour la musique là. Donc il faut entretenir les deux. Je pense que le message est reçu euh, <laughs> par euh, les autres artistes qui nous écoutent. Salamatou. Hakim, quel conseil donnerez-vous aux jeunes artistes nigériens qui aspirent à une carrière positive dans le rap euh, Aux jeunes talents, aux jeunes ceux qui commencent. Moi aussi, je dois leur donner un conseil, c'est de retourner à l'école et d'étudier. Avant <laughs> ah <laughs> D'arrêter carrément ah, Hakim. Parce que, mhm. frère, je vais te dire, c'est pas que c'est impossible. Moi, je trouve où je suis, là où je suis, moi, je trouve que j'ai une carrière déjà aboutie. Ce que je suis venu chercher, moi, dans la musique, je l'ai déjà doublé. C'est pas l'argent que je suis venu chercher. Moi, je suis venu chercher autre chose. Tu vois, non Et c'est quoi Il faut partager avec moi. je, je, <laughs> je, voulais, à la base, je voulais avoir euh, de la notoriété, être une, une, une, une, personne, si tu veux, un personnage public. Tu vois et faire d'autres choses. Parce que je l'ai toujours dit, moi, je ne vais pas beaucoup trop durer peut-être dans la musique, je ne sais pas trop. Je, tu vois, non, j'aspire à d'autres choses. J'aspire à d'autres choses. Donc, mais après, euh, les jeunes qui commencent, il, il, faut qu'ils s'assurent qu'ils sont prêts. Parce que pour commencer déjà la musique, pour commencer, il y a un process que les gens sont, sautent. Il y a, c'est des étapes. Mm. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent vers moi, moi, j'ai beaucoup de jeunes, tu sais, qui viennent vers moi et qui me produisent, moi, ou fais-moi tel, fais-moi tel, ou je vais un fit, ou. La première question que je te pose, moi, je ne dis pas non. Je sais comment bloquer le petit. Je te pose une seule question. Je dis, ta maman et ton papa, ils sont d'accord que tu fasses la musique. Mm. C'est la première étape. Dès que je vois de l'hésitation, je sais qu'il y a problème. C'est mort. Parce que je ne vais pas faire un fit avec toi. Ta maman va dire que c'est Hakim qui a gâté mon fils. Tu vois, il faut s'assurer de tout ça là. Mm. Donc si tu as la permission de faire, si tu sais que tes parents aussi peuvent assumer, parce que tes parents doivent assumer. S'ils vont te laisser faire de la musique, les jour où ils vont se lever, tu n'as pas de boulot, tu es devenu un délinquant, c'est à eux d'assumer. Donc, Sans souci. Hakim, nous sommes presque à la fin de nos échanges. Avez-vous un message à l'endroit des fans qui sont à l'écoute J'appelle les fans, comme toujours, à soutenir la culture, à soutenir tout le monde, sans discrimination, parce que c'est le Niger qui gagne. Mais à qui moi j'adore un de vos sons. Lequel Doliprane. <laughs> voilà. À la capella Voilà, si vous pouvez nous faire ça. <coughs> Quand j'ai choisi le rap, j'ai dû sortir les armes. J'ai payé de mon charge, je sais que je vais couler des larmes. Maintenant la gestuelle, maintenant la musique et tout le charme. Message à tous mes fans, voici, voici le Doliprane. Hey, yaro kasan da shekara dubu sai meke iya mai hura ki ban kunu kibar bar a ceke alal misali masta kaya ne ko tanka zo filin daga bambance dan duma da dan kabewa pour faire la zik suffit pas d'avoir le talent faut de la personnalité et un bon comportement tu l'as dit tout à l'heure <laughs> voilà merci merci merci merci infiniment Hakim euh, nous te souhaitons un bon vent dans ta carrière euh, musicale alors Salamat on prend une petite pause on revient juste après d'accord Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous écoutez, vous pouvez la réécouter sur notre site web le c'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Salamatou, nous sommes vendredi, nous allons parler entrepreneuriat. Exactement, c'est nous, c'est la rubrique entrepreneuriat de ce vendredi. Parle des appuis de matériel de couture reçus par les femmes de Mayaï. En effet, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, les femmes de Mayaï ont reçu des appuis euh, de matériel de couture. Cela pour permettre à celles-ci de subvenir à leurs besoins quotidiens. Au-delà de cette contribution, incitera les femmes de Mayaï à lutter contre la pauvreté, suivant le reportage de Chapa Omoru depuis Mayaï. A ƙoƙarin da ake don bunƙasa rayuwar ɗiya mata, a yanzu aka himai da ƙarhi wajen koya ma mata sana'a don su samu abin da za su kore ma bakin su kuda ma'ana su da kansu matan ya zamto a hannunsu suna da 'yan kudaden biyan bukata ta yau da kullum sana'a ɗinki tana cikin sana'o'in da mata suka kama a nan mai mata sun fara buɗe wuraren ɗinki na gungu inda suke yin ɗinkuna suna ma mutane ko kuma suna yi suna saidawa malama lubba malam garba ita ce shugaban gungun ɗinkin wadda ke kula da tahiyar tsarin ɗinki a wannan gungu nasu. Idan muke tahiyar da shi dai mu gungu gungu ne muka yi. Muka kasu gida hudu ko ina mutum hudu hudu. Muna ɗinki na yara da na mayya da na 'yan mata kuma an samu mai sayi hakan ga muna sai da mu so mu sake yi mun samu tallafin kekunan da muke dimkin ba yanzu dai dimkunan ga 'yan muka yi muka saida in gari ba mu juya mu yi 'yan harkokin mu na cikin gida ba sai mun je wurin wani ba mun ce gashi gashi kuma yanzu in muna yi muna sai da muna ƙara sawa aikin gajeriya bunƙasa a wurin mata ne da 'yan mata suka haɗu inda suke yin ɗinkin inda kowa ke gwada musa'ar shi inda suke yin ɗinkin mai kyau don biyan buƙatar shama'a. Malama Sharifa Ahmadu Kaka tana ɗaya daga cikin masu wannan gungu na mata maɗinka. Tana gwada mana ɗinki, muna ɗinki gaskiya yadda ya kamata kuma ɗinki na ƙwarai. Tunda muna yi mutane ma hakan ga duka suna gani suna zuwa sai kuma tana sai da shi da rahusa hakan ga da arhaba tare da tsada ba. Gaskiya proje dai da harko ta bakko mu tallahi. Tunda tallayin nan da ta bakko mu shine mun ka zo aka yi wannan ɗinkuna. Duka har mutane sun ka gani suke zuwa sai kenan yanzu ma muna roƙon a ƙara tallafa mana. mana domin sana'ar tamu ta ƙara ci gaba ta ƙara bunƙasa. Baccin yin ɗinkin a wannan tsari nasu akwai wasu mata da 'yan mata masu zuwa koyon sana'ar malama sa'adatu haladu tana daga cikin mata masu koyan ɗinki a wannan guri. Da muka fara ba ka iya in hannu ba yanzu gashi ka iya ba ka iya kufi'in riga da kyau ba gashi duk ka iya. Dangance da masu kawo ɗumuka mun ga suna kawo ɗumuka wurinta kuma ba ta da foran debu suna kawo mata ɗumuka tana ɗinkewa dan saboda tana tsaya da aikin ta kan gaskiya dan shi yasa yanzu kiliyan suna karuwa. Lallai a wannan lokaci da muke ciki mata sana'a ko da ba ta biya muku dukkanin bukatunku tana rufa muku asiri inda take shaye muku hawayenku idan bukata ta taso saboda haka mata a tashi tsaye tsayin daka don koyon sana'o'i Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Sinon, nous allons encore une fois de plus déguster de la zik. Et cette fois-ci, je vous propose le titre Saraounia, une collaboration de Moussa Yaro avec Hajia Maimou, sorti récemment en 2024. On écoute. chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, euh, direction Terra pour l'écho des régions qui nous conduit chez Madame Halima Hamido, femme conteuse résidente de la commune urbaine de Terra. L'éducation des enfants à travers le conte est une pratique traditionnelle pratiquée essentiellement en milieu rural par des personnes âgées. En effet, le conte est un ensemble des faits imaginaires euh, mis en relation pour compter euh, de bouche à oreille des histoires tant comiques constructive. Pour euh, les enfants, bien évidemment, Moussa Boukari Kanda s'est entretenu avec euh, Madame Halima Hamido, femme conteuse résidente de la commune urbaine de Terra. Halima Hamido, il faut nous zenti. Zenti man kal faji kari deno. Agona mgoila. Owo di tele tele yongo kambore gune. Handing zentong Nokirmo kirmo ibore won tela. zam hali gate boris tank jirbi org hanno fakare won senon di albert exempt wota e kang himu dun kela deno yigi sambi mi dan cerga alin la sabe te ki dan cerga wo sinde yadin deno zentwo man sen tabbatan tiyono ba man faj kare sen yonno sen yonno ki iga harendi yigi te bore iga haru agte zanke sema fahami zentuo matno borg te kawana zentoya bor goro albere gok zenti ni kangondi lakkal heki hannukte ho wokulu suba zankiyar watkul kan insen sela kiyer kan kana se agate arf ka agate dang de donal halin watkul agom nyola to ni kan lakkalo kan girbihin ki hinza hali gok zentote kunni yo hekine kul nugu wana o yadi ndik tek zento wa borak te kasambunda ifo nukta nafa Zanke se da al'umma kulmar se. zanti yi tare. nan kul kan bore margar gok fakari wat fon bor hinku go no kayon su margan batu hal zanti gok ten ka kangan kela ka kangan bajama margan ku fakari ka hangan kel se yodi bor kan man kela yi ka kamara ba wodi gak iri irsen bobo yongo no songe kino la kan zanti wallahi ini furu in songe kino selan kan o woy zanti bobo kursi be kanon selan to aran kanta bore kan zanti ifo no gati sandai karanga kubaida so zanti akaka ini tar sendo ashigun alber masalan borayn wodi yonna amma kulunda mati wobi yonno manta dak bor foga yonno fahamay sanni ondeno alber kulkan zanta ho wozabano wala don asino yir wozaba la hare den daga kama ho agon sende o wo yigi bora jank jank yon bambata Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du soir et nous sommes avec Hassimi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Salamoutou, bonjour Senou. Bonjour. Bonjour. Gourouza, début de la deuxième phase préparatoire du MENA U20 en vue de tournoi qualificatif IFOAB à Lomé 2024. Oui, après euh, la première phase euh, de sa préparation du tournoi qualificatif euh, de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, le staff technique du MENA national U20 dirigé par Abdraman Issamega, a entamé la deuxième phase du travail en début de cette semaine. Cela concerne des jeunes venus de Niamey et de l'intérieur du pays. Pour ceux venus de l'intérieur du pays, ils sont au nombre de 10 joueurs, dont 4 de Wombe, AC du Maradi, 2 de la JST de Tawa, 2 de l'entente de Dosso et 1 pour Tago provincial, toujours de Dosso les séances d'entraînement ont débuté et au sorti de cette phase. la sélection U20 sera connue à 90% et les 10% restants euh, seront constitués des joueurs nigériens qui évoluent à l'extérieur en vue de peaufiner, euh, cette sélection au cours de la troisième et dernière phase préparatoire. Pour rappel, le tournoi qualificatif de la zone IFOAB pour cette euh, Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 aura lieu du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé au Togo. Gourouza, restons toujours euh, dans la zone IFOAB pour parler des éliminatoires de la Ligue des champions africains de football côté dames. Oui, nous. Les Garde est dans la poule B en compagnie de Asakas euh, Lady FC Omnisport Essentiel et Edo FC. La compétition se déroulera du 10 au 23 août 2024 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Grouze, la phase finale de la Ligue régionale de Tawa se poursuit à Tawa. Salamoto, après les matchs qui se sont déroulés, l'équipe Sonyenka de Tilaberi chez les Alassane et celle du Racing 3 de Lazare chez les Fanta ont gagné leur billet pour la finale prévue demain 3 août 2024 à Tawa, la capitale de l'ADR. Après le foot, passons à la lutte traditionnelle. Isaac Isaac a remporté la Coupe du CNSP, première édition. Oui, c'est le week-end dernier. Kadri Abdou dit Isaka Isaka est allé présenter cette Coupe au premier responsable de la région. Euh, la compétition s'est déroulée, vous vous rappelez, à Niamey, et a pris fin le 29 juillet dernier. Avec six sabres et des coupes à son actif, Isaka Isaka vient encore de remporter la première édition de la COP du CNSP. Il confirme donc euh, une fois encore sa suprématie dans la lutte traditionnelle au Niger. Voilà pour le sport euh, d'aujourd'hui, il faut la semaine prochaine. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et oui, c'est nous. Le portrait de ce vendredi 2 août nous amène à la rencontre de Maralia, originaire du village de Jiratawa, situé dans la région de Maradi. Elle a commencé, euh, euh, elle a commencé ses activités Principale, euh, qui est la commercialisation et la transformation du moringa. Écoutons son portrait avec Moussa Hassan. irsi kala fada salo jirata kwara kango muradi gallo se kilometer waici ne wane waibore habuno kangan zari kulu jirata komino waibore gugunda fono da bata makan gwamnati hanse kinge kali goyente wani wani windi bun da yango abu dirano wani marali agar waiborno kan gwanda ji weru de dandi atomo ji wanda ka ga windi bundo nera aga barbaramo kasuwan nan aiwa windi bundo na ga nera si gine fada ai ga kwai noi maka ai maka ga nera saku saku wala mu ai hansa ga hina ga nera ai ga ta hamni ga nera ya dinno izai mu ai ga jika ira kai ƴaƴan ma ina sarrafa su ina yin mansu fata wuce banda malali ya ne ngudu maka famu windi bundi jite yamu shi wannan mai na zogale a wani karambani ne haka na kuma da windi bundu giyo kawul daino nai da ngai gugati da zai na kani borgu borgufon haikulga ai mano ine kan ighinga jika windi bundura aini windi bundo sombu aina kosu jara aini hina jara moy fanda yadin ay mudugu ra no wala mo hinanta jiyo ga fatta no ay ga duru ay kala day jiyo fatta ara yadin nay tegubai kan igi hinga jika windu bundura windu bundu gwanda ji ji mo kan gwanda nafa mai amfani gonda yawa. Sanda jida ta wai burkal tere kulu windi bundo fotocono na izin yango bafuna boriyandi. Alhamdulillah karuwa mai dimbin aina irkoi sabu aina izo lokol noru bana ai fatau cora kala koi gudun gibreva sommo baka na goceji aina izo wai higendi aina windi kinara ai bo wani ai goga hinkin yan biri irgo hunwa irgo gahan irgo girmura da feri irgo girkoi sabu zama ir izai la kwalai no roi gogu bana boje su romo ir gogano windu bunda neri yan gonda albarka ai gogu ngwarai ir koi ma labai kulkara gonda windu bundu ama albarka dan iga malaliya da community webar bob no gogudu gomni labu goyo dinara amma kin do gogin he dinga hazai janga dai yamo Voilà, après ce portrait très inspirant, Clôturons notre playlist avec le titre Titiaye ou Mouyaye de Seni Mega pour bien commencer le week-end. N'est-ce pas, Salavat Ah ouais. amore italiano at the shore. chers auditeurs, c'était Saïdé Haouchi de Saini Maïga. C'est nous, on passe au lecture du jour et aujourd'hui, la chronique nous parle de celles-là même qui agissent violemment quand leur mari, leur mari veulent prendre une deuxième femme. Oui, certaines vont jusqu'à certaines vont jusqu'à attenter à la, à la vie d'une personne. Certaines vont jusqu'à porter atteinte à la vie d'une personne. Eh bien, la loi est là pour servir. C'est ce qui ressort euh, des échanges entre toi, Salamatou Kadri et Samira Rouafi. a gaigar windo da irko ba a siwa da ai ai sai na ga dego wate jirmar jikin dagogwar carban da a gake sai larab sanni ga gaigar ne wai ma ganka kani gorgasin ai goma ni sai za ai windi zora ai mil ba ni ba fono go salan kan baga si gobo ai na man dai na ngai manu kadi hankan no gote hey kadi ai sai kuttu ginsi a wulle sigite wai kai min ha tali gai gano ai ga merni bai a ni wulle si meri to ya dinga ai zenu no wala Ah, a gobe sin wallahi ni man sen wai fo sen go dega hayen wo tai se hmm. ai ai sina ha ya mu ya mu goga i gorai te ai kwar bor manai se kan ga bungam ko gi san bukka ga da kai ga ga tai wacce ha zam so na tai noru se wala a go mota bereira ga windi windai ne ya norote a dirgan jiro wo kulu go kin inda tai kyar ban dugu to newo son na ganin ga ga tai se hadda ai go ba funaira hi a sati. a'a mari ni la kalkanandi mantan dunya tun yan ngono bo ko nan dunya ban mantin gana sintina si banni gamo mantin hinni se ni sintin gite waice ya dinga ni min la di. ni mga idan danda wani ni kwa la se ni zan kai mbo se im dug zada gune ni wo albegi no ni him gimbonte albegi ni noti wanda bego ya dinga ni him gimbonte la kalkoni ni kunyi mu dugin begandi wankan go kaga da kingamu ingumo min begandi ifo hadde hijawo sannu a man faida ha aigihin ga ba'awi subhanallahi mari shine yadi ne ha masalin ya ce ne masidin yankan irwa alsilama yanno da yadin no irko kodar ni se hai kunno sa gange har sa ka safun sa ka yadin gani ga yaddan da wadi maskoi ga masal foyen tunan dikkan din bon sefa gune ni wasan ni bobo no ni gaba gune ayi ma wi ayi mu bar gai bon wi ayi mu dima ifo na kwagi hijai te da wadin banda wiyan nik ba ni min kunyi wi hijai maga wallahi ma ha goydin bo marin bai hankan ga fattin moy waga hankan ni goci wo wallahi ha manta hannanu ni su bai hankan ga hinga duni nin da juzu kwara bare ga marafa zuzu kwara zuzu kwara me ni jar la boki tira man ne kala bokul kan na bofowi igi hin kwanda kasu ingin bo kala mu bu ago kasa din ga ya dinga ma ha goydin dimbo ni mo do da forma ni ka katai ga kwai ni ga ngai si o oh me hankan ni te bofo sai ingi dai ni ga yegi te ni semi koy ni mugun gidi ni zankai hawo kan ranig dirgina imne ugune ingaino ya zanka din kan inyani bi igin binni kalima bu koyni har lala da giti nigi izai te ala tu miziyan ni woni sino go kasu ni ne nigin bombi din man buno ya go kasu babu babubi te ala tu miziyan wallahi ma bai hankan nigici <laughs> ai wai sun da ba me sanni ai kan go wai bure kan dinne yakin no gite ni kwara ya no bura sini mai wa kakau imini gote se wace hawino me <laughs> ai sin da ba me sannai calera <sighs> haba mari masine yade magun har hannai kan goni me ta har lalihin no go wai te yan rami mula sabu gidi kan maze kai ni go kan dinse a ganga goye fai ni gudu ga filan zam ni ga yagin lakalo yetin izai ga koi ni goy no ya din da mai wani kwar bor fai rim ye ga dai fai gina no ro son ga fai ga no jerano haba mari ni mo wadin da ti higya albarka meni mo sato din ni hinni seni go te son waran te bokin karim ga ya kulfe man ta gin ga goy ya ga bano go duka ni wa him ga fai me sabai ga haru wat ka kani ga din nigin ma kan rayi go so ir koy beri mari musidin kan sen diye go hinna non go hin kuno non fo chers auditeurs, c'était là le loti du jour. Et à présent, nous sommes avec euh, Tarnan Foudé Ahmed pour la culture linguistique et le mot du jour est amitié. Bonjour Tarnan. Bonjour euh, mon ami, amitié. Voilà. <laughs> Donc, euh, amitié, déjà, on sait ce que ça veut dire en français. Moi, je vais me forcer de l'expliquer en tamashek. Donc, salam aussi, on dit amitié, c'est-à-dire mi-joie. C'est ce que ça veut dire en tamashek. Te mijo ken à ta dewa dawe de yamo sem jinnak te ni marham garewan arwa lantar ton sano sagan kawan. Dak te na wan tan nagwara wa ittanfo. Merar ta wina chene ta qalan te mijo ken san marda seno ta mo sem jin salamatu salamatu ta mo sem jin. Kullos naqalan naqal imijawan. Imijawan انت ميرا دقدو تقراو تم ميجوا Donc en bref voilà ce سي ça veut dire. D'accord. Merci beaucoup. Tarnana pour ses éclaircissements sur le mot amitié. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Tamashek, Fufulde ou en germain, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, justement, tout écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs.

population o bon ni goga salam ir masala kan ir goga di kinin da zari abonde ni goga salam kimi mono fisi bi dillahi um ir goga di amfani gum gum gum labare mu i goga to ir do zama labare inge wo isi tugu labare kan dumo ir ba ir mamanga de ni goga no irsi alhamdulillah to goya burkulu gabe kan tontono dini aga bisa zama studio kalan wondinga journalist yan imir kokari ga to surtu alfaredo hal da alfaredo idu ise isalan ifakare idu ga faham wai kan yi gaba farai mitkanno igi gayin da mitkanno an gara igi danda mitkanno iga hawai kudu iru hal da sajo bori to fi alhamdulillah to labo gunda kuna rayuwa shine kalan ni jeren men da me dan kan yi zaman labu sanino bora mu duga kai ama bai kan burfo suka gira labucina ir kulma tunga kai ga mudun magasu gabai mit kan irga te burkum suka ga tari tari sai hila wono dine aban borai makan gai bonga ai ma ga mudu isa Hamad Isa ni ga hangana la studio kalangu wani. Wallahi gumo ga hangani se. Amma wani division ora jeune entrepreneuria son noni ki wote. Ai ba tontonara. Im tontonara zan kai mu dugudu courage kan ga gos. Wali kula go ga hangani se. Wai bare mu im tontoni se ima hagoi dingai burkin tara. Wadi hinne ga ba radio kalangum sintini ima tontoni sei iwana hayora labare mo alkai ba gati ima labize ibonge feri kangana labize mu goyi labose wallahi kimkimi kana se hatta ka kulegi hagan wallahi labare ki gono manki fori fori labare yanno kimi labare ni gogono isiga siyasa dangai labare ra wallahi mutonton gulu kuna bara kunu ma harkan studio kalangu gogici Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. L'amour, c'est un sentiment qui par un autre. Qui celui qui t'aime tu abandonnes tes ennemis. Amosidou, ah, quand le grand fond le soir, les petits ne font que raconter. La Gazwana à la place. La Gazwana. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salama Kadri et moi-même Ali Moukela alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À la technique, c'était Lawal Issa et Fantachamso à l'édition. Chers auditeurs, bon début de week-end à tous. Bye bye. Ciao, ciao.